Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Le Niger sur Kalangou de ce lundi 24 avril 2023. Pour la présentation de cette transe d'heure de radio, je suis Olivier Assobavi, à mes côtés Rabi Issoufou Meikano. Coucou Olivier, ça va Ça va très bien et toi, tu vas bien Ça va, je vais bien et j'espère pareil pour ceux qui nous écoutent à travers nos médias partenaires. Je leur souhaite un bon début de semaine. Pour la diffusion de cette émission de ce lundi, la technique est assurée par Mustapha Ayouba et Adam Adawaki, notre chef d'édition. Alors, dis-moi Olivier, il y a quoi au menu Eh bien, le menu est super garni d'ingrédients musicaux. Il y aura des enseignements juridiques et actualité oblige. Aujourd'hui, 24 avril, c'est la journée nationale de la Concorde. À cette occasion, à suivre en interview l'un des acteurs clés de cette date, il s'agit de l'historien Karimou Mahaman. Avec lui, nous allons aborder l'actualité politique et les efforts de contribution que doivent faire les jeunes pour maintenir la paix. Un très beau menu que j'espère que nos auditeurs et auditrices vont beaucoup apprécier. Nous démarrons cette matinée avec le flash d'info présenté par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Rabi, comment ça va Ça va bien et toi Ça va super bien. Alors, euh, actualité oblige, le Niger célèbre ce jour la journée nationale de la concorde nationale qui est à sa 28e édition. Elle marque la signature le 24 avril 1995 d'un accord de paix entre le gouvernement nigérien et la rébellion armée après quatre ans de conflit. Des festivités commémoratives sont prévues aujourd'hui à Chintabaraden, région d'Ottawa, auxquelles participent plusieurs autorités dont le ministre de l'Intérieur et le président de la haute autorité à la consolidation de la paix. Ensuite, aujourd'hui toujours à Niamey s'ouvre le forum régional des prévisions climatiques saisonnières en Afrique sahélo-soudanienne. L'événement est organisé et co-organisé plutôt par la Direction nationale de la météorologie et le Centre régional Agrimet. Il s'agit au cours de cette réunion des experts d'analyser les résultats pour tous les pays membres concernant les volets agroclimatiques et hydrologiques et faire des prévisions pour permettre de faire une bonne planification de la campagne agro-pastorale. Enfin, une bonne nouvelle pour les amateurs du zoo. Depuis hier, le musée national Boubouhama accueille deux nouveaux pensionnaires. Il s'agit d'un couple de zèbres en provenance de l'Afrique du Sud. Selon le ministre du Tourisme, Mohamed Hamid, cela entre dans le cadre d'un programme de sauvegarde du musée qui va contribuer à renforcer le parc animalier de ce conservatoire qui compte déjà une centaine d'espèces. C'est tout pour ce flash d'informations. Rendez-vous ce soir. Merci, Rafika, ce soir. <laughs> Merci infiniment Rafika pour ces infos avec lesquelles nous entamons la journée. J'espère que nos auditrices et auditeurs seront avec nous Durant toute la journée, nous poursuivons le Niger sur Kalangou de ce 24 avril. Comme l'a rappelé Rafika Ataher dans le Flash, aujourd'hui, c'est une date symbolique pour le peuple nigérien. Car il a cela 28 ans, les autorités nigériennes signaient l'accord de paix avec les mouvements rebelles du Nord pays marquant ainsi la fin de quatre années d'hostilité, sujet que nous allons aborder avec notre invité, l'historien Karimou Mahaman. Effectivement, Oli, mais avant d'entamer la première partie de l'entretien du jour, nous allons marquer une pause musicale. Notre première balade est l'une des chansons iconiques de la parenté à plaisanterie au Niger. Différentes ethnies se charrient entre elles et consolident ainsi des liens forts et cimentent, qui cimentent aujourd'hui notre unité nationale en musique, ça donne Copto de Mahamadou Abdussalam, connu sous le nom de Tandiste. يا بسم الله يا بسم الله dono kai gateo zarmai ne ga su dono indai na se yeta yeta ai mo ai ne di biganda ni zarmara di biganda mai zai tabai kandu kalami Ngarmana dibi ganda, nagesabay kandu kalati. Matang kare di moro hita, matang banga di moro hita, matang sangwe bol di moro hamita ya di no dharma di moro koto. Bundu bundu hagawa, ula agawa, ubay hagawa, nanana do ki hanya, kuma hanya dharma ganda, garbai nya kulutin da kwabto. Daga wani dan baza bahime, ana ce mai kudi na te mai hai kudiza garbai nya kulusin da kofto anai se duba garano ga kanu nai se duba garano ga kanu na duba garano ga kanu na jo kulusin da kofto anai se damuno ga kanu nai se damuno ga kanu tar mai ganala ita forun da jibi ganda tar mai bugano malai jo ko gada tar mai ganala ita forun da jibi ganda mai wakano balai d o d o gado ana bulu kai gahigi ana bulu kai gahigi zarmai de nai gahigi kamayo mati kadija wala kamayo a ti pati dinai te sugi noru ai minoru bagara moto hinda undu bundu moto hinda i g a d e g a ga su hinda imaka su imawa imahanna g a y e t e hinda ima ka som ima wa ima hanna ga ye tayi dar mai galala ida porun da divi ga dar mai wagano balai do go ga dar mai galala ida porun da divi ga dar mai wagano balai do go ga ai baba na dar mawa ai mo balle kai na nandi dar mai ai kai yanno dar mai ai ba ga yanno e aygiiɗo nyadayno diine karmo i haw zama kayti haa ma gokko a ɓurnya hannaadayno aga ga zanoga hampa ihinka toon maga aga ga zanoga hampa ihinka toon maga zarmaiga nala ida di na ɓorna diiniga kai go nala ballayno gogano waray zarmaiga nala ida ɓorna diiniga Mamoudou Abdou Salam, une vraie légende de la musique nigérienne, artiste, auteur, compositeur, arrangeur et producteur. Obis pour les intimes, il est né le 26 janvier 1966 dans la capitale de l'Ader, Tawa, où il fait ses études primaires et secondaire pour ensuite poursuivre à l'université de Niamey au département d'anglais. Passionné de musique, il s'est ensuite rendu en Côte d'Ivoire pour des études en musique à l'école des beaux-arts en 1988. Des connaissances en musique qu'il approfondit plus tard en République du Ghana. En 1990, il met en place son groupe musical des camarades du campus, le Tambari World Messenger, Warmess, un nom de groupe qu'il a dû changer après par Tandiste pour pouvoir participer au concours de musique moderne du prix Dangumu de 1991. Pas de prix, mais ce groupe devient la révélation de l'année avec le titre Tandé Tandé. Les Tandistes ont connu un tel succès qu'ils ont dû se détacher de l'université de Niamey pour plus d'autonomie. En 2000, il sort son premier album, Bayumata, qui le propulse au rang de meilleur artiste de l'année et meilleure vente de l'année avec de 12 000 cassettes vendues. au lit, avant c'était des cassettes. Ah ouais, quand même, la <laughs> bonne époque. Mais il faut dire aussi qu'on n'est pas aussi jeune, on a connu l'époque des cassettes. Vrai, hein. <laughs> en 2002, un deuxième album voit le jour, Tabashi tout un album dédié à la, plaisante, à la parenté à plaisanterie. Puis un troisième en m'a marqué, suivi de tournée nationale avec 111 concerts en 6 mois. Quand même relou pour un artiste nigérien. Puis un quatrième album, El Foyendi, enregistré au Ghana est sorti au Niger en 2005. L'artiste joue de plusieurs, l'artiste joue plusieurs instruments dont la guitare, le gurumi, le tende et le kalangu. Et comme j'ai toujours de la chance, j'ai eu la chance de rencontrer Abdou Salam, un tonton génial. Ouais, c'est quelqu'un de très dense, c'est quelqu'un de très intéressant. Et il accompagne beaucoup de jeunes artistes comme ça. Là, il est dans la communication, mais franchement, c'est quelqu'un, hein, c'est dans ce domaine. Ah, big lui cette journée spéciale marquant la 28e édition de la Journée de la Concorde, nous recevons l'historien Karimou Mahaman, un tour dans l'histoire contemporaine du Niger. Le 24 avril 1995, les autorités politiques de l'époque signaient l'accord de paix à Agadez, marquant ainsi la fin d'une période trouble de l'histoire du Niger. Vous qui avez été acteur parmi les acteurs de l'ombre, parce que vous n'êtes pas forcément les gens qu'on voit à la télé, on entend dans les médias. Vous qui avez été acteur de l'ombre de cette date, qu'est-ce que cela vous représente euh, Pas pour moi simplement, mais pour la majorité des Nigériens. C'était un jour mémorable, un jour qui sanctionne la fin des luttes euh, fraternelles entre des membres d'une même famille puisqu'il s'agit des ressortissants d'un même pays. Aucun événement ne peut avoir plus d'importance aux yeux des Nigériens qui aiment son pays. Je disais, aucun événement ne peut avoir plus d'importance que le fait d'acter la fin des hostilités, de se retrouver tous ensemble pour reconstruire notre pays. Et cela a été un soulagement pour tout le monde. Il y a des moments où la vie vous offre ce que vous attendez d'elle, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais dans ce cas précis, le simple fait pour le Nigérien, qu'il soit d'Agadez, de Zander, de Tawa, de Niamey ou de Tilaberi, de pouvoir voyager à travers l'ensemble du pays sans risque, sans problème, a été une donnée qu'aucun Nigérien à cette époque ne pouvait oublier. Voilà un peu ce que cela m'inspire. Et je me rappelle très bien que beaucoup de Nigériens disait non, c'est pas possible, ça ne peut pas finir comme ça, ça ne va pas finir. Là, les gens, on va aller, on va signer et puis ils vont recommencer. Mais finalement, chaque parti a plus ou moins respecté ses engagements. Et en tout cas, personnellement, je suis heureux euh, pour ça. Et surtout, chacun a mis du sien. Et aujourd'hui, euh, ce problème-là, je crois, il est derrière nous. Pour permettre à nos auditeurs et auditrices de savoir qui est en train de parler, son implication et surtout l'importance que nous revêt cette interview, Oh, j'aimerais quand même passer cette information. Vous étiez directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et vous avez coécrit cette déclaration. Mais expliquez-nous comment on porte cette responsabilité à l'époque. J'étais directeur de cabinet, effectivement, du président de l'Assemblée nationale. Mais j'ai été aussi directeur de campagne adjoint du président Barré pour les élections. À ce titre, euh, j'étais associé à un certain nombre de problèmes politiques. Écrire un tel discours, il y a trois choses qu'on vise, en tout cas personnellement que j'ai visé. La première, susciter l'émotion des Nigériens, faire en sorte que les Nigériens prennent conscience de l'importance de l'événement qui est en train de se produire. Ça, c'est le premier aspect. Il faut que les uns et les autres soient conscients du pas que le peuple nigérien vient de faire. Le deuxième aspect, c'est de le dire en une langue à la portée de tous pour que tout le monde puisse comprendre. Et enfin, donner à partir de cette déclaration une ouverture sur l'avenir. Permettre aux gens de voir que c'est un processus qui a été engagé. Nous avons fait le premier pas, mais il est long le processus. Parce que signer des accords, déclarer la fin des hostilités, ne met pas fin à toutes les parcasseries et à toutes les incompréhensions. Il faut du temps. Or, ce discours devait effectivement faire en sorte que les gens puissent comprendre que on a fait un premier pas, les autres pas, suite évidemment à la succession des générations ou de ceux qui vont prendre en charge la direction du pays vont continuer cet effort-là. Voilà un peu l'esprit. Et montrer également euh, aux Nigériens à quel point il est important que les fils d'un même pays parlent le même langage, s'accordent pour construire ensemble leur pays et que personne ne soit laissé à marche. Parce que le problème du Niger, dès le départ, ça a été comment gérer les communautés nomades de ce pays. Là, je vous parle de l'origine même de toutes ces affaires-là. Quand euh, euh, on a commencé l'exploitation de l'uranium, le régime en place n'a pas pris la mesure des difficultés que rencontraient les travailleurs locaux et tous les habitants suburbains qui étaient autour de la cité d'Arlit. Alors que les expatriés vivaient dans des conditions, on peut appeler ça idéales par rapport aux possibilités du Niger, avec euh, villas, villa, euh, piscine et tous les conforts possibles climatiseurs les, certains travailleurs vivaient dans des zones ou dans des barquements, ou en tout cas des maisons qui ne pouvaient pas être comparées à celles des expatriés. Donc tout ceci a commencé à créer un problème. Et d'autre part, les populations environnantes qui ont été attirées par le mirage de la nouvelle ville d'Arlit se sont retrouvées pratiquement à marge des bienfaits de cette nouvelle ville, puisqu'ils ne participaient pas directement aux retombées de l'exploitation du l'uranium. Donc les populations de cette zone ont commencé à poser une question somme toute légitime on produit une recherche chez nous, n'avons-nous pas le droit d'en bénéficier un peu plus. Et c'est la non-réponse à cette question qui a amené à tout ce qui est rébellion à l'époque. C'est la mauvaise réponse. D'abord, tous les, les ouvriers, la classe ouvrière naissante des zones d'Arlis, cette classe ouvrière a commencé d'abord par s'agiter en faisant comprendre que les conditions dans lesquelles elle travaillait étaient inadmissibles et que ce qu'elle recevait comme rémunération par rapport à ce que recevait un, un, expatrié, donc essentiellement français d'ailleurs, elle ne pouvait pas l'accepter, cette classe ouvrière. Donc il y a eu des, des grèves spontanées, soutenues d'ailleurs par l'ensemble des syndicats du pays pratiquement, et le gouvernement a réagi, c'était le gouvernement du RDA, en arrêtant euh, tous les responsables de ces syndicats considérés par le pouvoir comme étant illégaux, de ces syndicats plutôt causés comme illégaux, et qui ont déclaré une grève illégale. Donc il y a eu des, des renvois, des pertes d'emplois, il y a eu des arrestations. Et donc tout ceci a contribué à, à envenimer la situation puisqu'au même moment, il y avait la crise scolaire et universitaire qui avait déjà gangréné le système. Et cela aboutit au coup d'État qui a renversé le régime de, de, de Diori. Tout ce cocktail créera par la suite un mouvement rebelle et, grâce à Dieu et grâce à l'effort des hommes de l'époque, le 24 avril 1995, une solution fut trouvée et puis, on a désigné et cette journée a été consacrée comme étant journée de la Concorde. Chers amis auditrices et auditeurs, nous allons marquer une petite pause et nous allons revenir juste après. Et pour continuer ce tour dans l'histoire. Ah, Olivier. Belle interview. Merci. Après cette première partie de cette interview réalisée par euh, mon partenaire sur cette émission, c'est le moment de faire un deuxième tour en musique avec Unité toujours Unité, Unité du groupe Jolodi, un groupe légendaire qui a fortement marqué l'univers du hip-hop nigérien avec les albums Prélude en 2002 et Légende en 2004. Les amis, faisons une pause et partons en musique. hey, toi t'en pour l'unité ya pour les poètes, pour les gars L'idée, c'est qu'il fait des utopies Pour mon gars, nos potes gars Et tout monde tout lourd, il bon jour quand il passe Conscience ennemi de nos idées Yo, pour nous qu'on les efface L'idéal de toute cité, par l'unité Madrigate, magate Yo, ma yo, yo, unité yo yo, que la tu Il Et la la

Jumwa avo tino ruo tino pono Ondi somme kel diyo ni atilo goniyo Ape karar dünya Uro adiyo Yoru yiti di cema kiloca Jure

ya wani rumafan gubai ga jirgin nirma lagun kanse ya ce afo ya fo ta ba ba fo a folo kila ba ce di ba se ku dibiya afirka uwa guda uba guda ko ina ka ji ba siyasa ta raba mu na kikuru Retour dans l'émission de Niger Suite à pour cette journée de la Concorde. Nous vous proposons une playlist qui colle parfaitement avec l'actualité du jour. Et à présent, c'est le titre Unité du groupe Jorodi. Rabi, peut-on savoir un peu plus sur ce groupe légendaire ben oui, Olivier, pour la petite histoire, à la naissance du groupe en 1996, il s'appelle Revenant Possi. Un an après, Kamikaze rejoint le groupe, il change le nom et devient Jorodi. Joro signifie un peu chef et J pour guerrier. Leurs deux albums enregistrés, le groupe entreprend de nombreuses tournées nationales et internationales et participe à des festivals. Après le départ de Mr. Kamikaze du groupe Mock Ice et Iri Sarki ont continué et sorti le deuxième album de Joe Roddy. Un an plus tard, Mock Ice, pour des raisons professionnelles, s'est trouvé obligé de raccrocher. Après 2004, chacun des membres a décidé d'évoluer en solo. Une tentation qui finit souvent par emporter beaucoup de groupes de rap. Ouais. Olivier l'histoire, il n'y a qu'un pas. Et cela se passe sur les ondes de nos médias partenaires. Olivier. À présent, la deuxième partie de l'interview du jour. Retour dans cette deuxième partie, nous, nous sommes en train d'échanger autour de la date du 24 avril. Alors, on a envie de savoir aujourd'hui, presque euh, bientôt 30 ans, quelle est l'analyse que vous faites des acquis de la date du 24 avril 1995 Personnellement, mon analyse ne peut être que positive. Je pense que la rébellion a cessé dans la zone d'Agadez. Aujourd'hui, vous pouvez vous promener, en tout cas entreprendre des voyages euh, juste dans ces régions-là. Évidemment, je dissocie la rébellion menée par certains Touaregs et ce qui se passe aujourd'hui qui s'apparente beaucoup plus au banditisme qu'à une rébellion. Et là, vous me mettez sur le bon chemin pour qu'on puisse attaquer l'actualité aujourd'hui. Euh, ça nous permet de comprendre que les gens avaient des revendications claires. Ils avaient des objectifs bien définis et ils savaient ce qu'ils voulaient. Par contre, depuis 2015, si mes dates ne me trompent pas, avec l'avènement de Boko Haram, aujourd'hui avec euh, tout ce qui est Al-Qaïda au Maghreb islamique, on ne comprend pas la structure du conflit Je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Au début de l'indépendance, le principe de la non-remise en cause des tracés territoriaux ou des frontières héritiers de la colonisation. Donc ce principe ayant été affirmé et défendu avec force, ça donnait moins de possibilités à une partie de la population de verser dans l'irrédentisme. Parce principe les très clairs. À l'époque, c'était le cas du Katanga, vous avez certainement lu ça quelque part au Congo et dans d'autres pays également. Cela a été refusé. C'est au nom de ce principe, d'ailleurs, que des gens comme euh, Sawembi et autres ont terminé leur vie dans des conditions assez déplorables. Donc, à cette époque-là, le principe était très clair. Personne n'acceptait la remise en cause des territoires hérités de la colonisation. Donc, on restait dans l'ensemble. La rébellion touareg nigérienne était basée sur une rétribution plus équitable des ressources de l'État. Il s'agissait pour eux de bénéficier des biens qui étaient soustraits de leur sous-sol. Et je trouve ça tout à fait Non, au départ, ce n'était pas ça. Il fallait d'abord replacer les choses dans leur contexte. Et bien sûr qu'il y ait eu des individus ou des groupes d'individus qui ont voulu, par extension, lui donner une autre définition, peut-être, mais moi, ce que j'ai retenu, à partir de mes lectures et de ce que euh, des discussions que j'ai eues avec les uns et les autres. Et ce n'était pas une question de rébellion. Parce que je n'ai même pas, euh, pas entendu une seule fois une déclaration par rapport à un État. Ça, je ne l'ai pas entendu. Peut-être que ça existait, mais je ne l'ai pas entendu. Donc, cette rébellion est basée essentiellement sur une mauvaise répartition des ressources matérielles de l'État. Il fallait faire en sorte que dans les pays ou dans les zones où on produisait des richesses, il faut quand même faire en sorte que les bénéficiaires, donc c'est-à-dire les populations autochtones, puissent bénéficier des retombées. Je pense que c'est une revendication, tout à fait légitime. Maintenant, là où je n'étais pas d'accord, c'est la prise des armes. Je pense que ces, choses-là, on aurait pu les négocier sans prendre les armes. Parce que la prise d'armes, elle est condamnable à tout point de vue. On ne peut pas concevoir que dans un même pays, des citoyens des mêmes pays, qui vivent les mêmes difficultés, qui ont la même communauté de destin, qui sont appelés à construire ensemble une nation, que ces gens-là puissent s'entretuer entre eux. Mais le fait n'est pas nouveau. Ça, c'est l'Afrique. Et pour ce 24 avril 2023, quel sera le message que vous allez adresser à ces jeunes. Euh, déjà, je vous remercie parce que vous m'avez dit que vous ne parlez plus aux médias, parce que vous pensez que ça ne sert à rien. Et pourtant, vous avez accepté de me parler, parler au studio Kalangu. Donc, j'ai envie de savoir aujourd'hui quel est le message que vous voulez passer aux jeunes Nigériens, et puisque cette émission est écoutée partout dans le monde. Ce que je voulais dire aux jeunes Nigériens est très simple. Tant qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne pourra jamais savoir qui on est. Nous sommes des Nigériens. Nous ne sommes ni des Français, ni des Américains, ni des Russes. Nous sommes des Nigériens. Nous resterons Nigériens. Et pour être Nigériens, ce sont les valeurs qui ont permis à nos ancêtres de rester sur cette terre particulièrement hostile, de tenir jusqu'à aujourd'hui. Tout observateur averti, ce que sans ténacité, sans pugnacité, sans courage, sans persévérance, personne ne peut vivre dans cette région. Nos parents l'ont fait. Ils ont tout sacrifié pour que nous puissions hériter de cette terre là de ces champs-là. Regardez un peu la géographie du Niger. Allez-y dans les campagnes. Si vous demandez euh, ce qu'on appelle tombeau les anciens villages, ils sont presque tous des sites défensifs, soit près d'une colline où les gens peuvent se réfugier dans le tour de la colline, soit dans un endroit difficile d'accès pour éviter les razzias et les attaques des ennemis. Donc c'est dans ces conditions particulièrement difficiles, avec euh, une saison de pluie qui permet à peine de faire une récolte dans l'année et pas dans toutes les régions une chaleur qui est pratiquement insupportable pour un humain. Et c'est dans ces conditions que nos ancêtres ont travaillé. Ils nous ont laissé tout ce qu'ils nous ont laissé. Et aujourd'hui, si on tient compte des, potentialités de ce pays, de ses ressources minières, on est obligé de reconnaître que nos ancêtres ont fait un bon choix. Parce qu'aujourd'hui, si les ressources de ce pays sont utilisées exploitées à bon escient, si les Nigériens acceptent de travailler ensemble pour mettre en valeur tout ce que nous avons dans ce pays-là, personne ne mourra de faim. Et donc, mon message aux jeunes, il faut croire en l'avenir. Mais l'avenir repose sur votre unité. Nous sommes dans un siècle où les notions d'ethnie et de tribu sont dépassées. Ce qu'il faut, c'est ensemble construire votre pays. Faites fi des appartenances ethniques et autres. Ceux qui les utilisent pour assurer leur ascension sociale savent très bien que ce n'a pas de lendemain. Ce qu'il faut dans ce pays, c'est l'unité de la jeunesse, c'est la formation de la jeunesse. Battez-vous pour que vous ayez une éducation adéquate. Battez-vous pour être au même niveau de compétitivité que les autres intellectuels des autres pays. C'est ça que je veux dire aux jeunes Nigériens. Soyez vous-même. Merci Olivier pour ce bel entretien. Merci à l'historien Karimou Mahaman qui a partagé avec nous ce beau moment de l'histoire le studio Kalangu vous propose du lundi au vendredi l'émission Le Niger sur Kalangu pour aller à la rencontre des Nigériens et Nigériennes qui ont marqué l'histoire du pays. À présent, nous allons écouter notre rubrique hebdomadaire et chaque lundi, c'est le magazine Justice. Oui, Olivier, dans la rubrique Justice de ce lundi, on va parler de la Cour pénale internationale CPI. Cet entretien avec le juriste Abdourazak Maazou doctorant à l'université de Ouagadougou, nous édifie sur les compétences de la CPI. La Cour pénale internationale a été créée par un traité, le statut de Rome. Et les États ont adopté ce traité en ayant à l'esprit que des millions d'enfants de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination, qui éteignent la conscience de l'humanité et qui constituaient une offense à la morale internationale. Quelles sont les infractions qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale et Les crimes ou les infractions qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale peuvent être classés en quatre catégories. D'abord, les crimes de génocide qui sont des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ensuite, les crimes contre l'humanité qui se définissent comme des actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. En outre, les crimes de guerre qui sont relatifs à toutes les infractions aux conventions de Genève ainsi que d'autres violations graves lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux et aux conflits internes. Enfin, les crimes d'agression qui s'entendent en la planification, la préparation, le déclenchement et la commission d'un acte consistant pour un État à employer la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. Qui peut être jugé par la Cour pénale internationale Les personnes qui peuvent être jugées par la Cour pénale internationale sont des personnes physiques âgées de plus de 18 ans qui sont ressortissants d'un pays signataire au statut de Rome ou toute personne ayant commis un crime sur le territoire d'un État parti au statut de quels sont les modes de saisine de la Cour pénale internationale Les modes de saisine de la Cour pénale internationale peuvent être classés en quatre catégories. D'abord, un État parti au statut de la Cour pénale internationale peut saisir la Cour pénale internationale dans une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis. Ensuite, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut saisir la Cour pénale internationale dans une situation dans laquelle des infractions relevant de sa compétence paraissent avoir été commises. En outre, les procureurs de la Cour pénale internationale, sur autorisation de la chambre préliminaire de la dette cour peut décider d'ouvrir une enquête dans une situation où des infractions paraissent avoir été commises et qui relèvent de sa compétence. Enfin, un État qui n'est pas parti au statut de la CPI et qui accepte sa compétence peut déférer à la Cour pénale internationale toute situation dans laquelle des crimes paraissent avoir été commis il faut rappeler que la Cour pénale internationale est complémentaire aux juridictions criminelles nationales. Cela veut dire que eh, la Cour pénale internationale ne supplante pas les systèmes pénaux de compétences nationales, mais elle leur est complémentaire. Il n'y a que deux conditions dans lesquelles la Cour pénale internationale peut exercer sa compétence. D'abord, lorsque un ordre juridique national s'est effondré ou ensuite lorsque un ordre juridique national manque ou refuse à son obligation qui consiste à poursuivre et juger des personnes qui sont susceptibles de commettre des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est à ce moment-là que la CPI peut entre competentes Merci beaucoup Tarnan Foudé Ahmed et surtout au juriste Abdul Razak Mahazou pour ce temps accordé. Alors Tarnan qui est avec nous dans ce studio, peut-on, peux-tu nous dire que peut-on retenir de cet entretien Merci euh, Olivier. D'abord notre interlocuteur Abdul Razak euh, Mahazou a donné la définition de la Cour pénale internationale qu'on appelle communément la CPI ainsi que les modes de saisine et ses compétences. Donc à retenir de la Cour pénale internationale CPI est un tribunal international permanent qui juge des individu responsable des crimes internationaux les plus graves. On retient également que la Cour pénale internationale est une cour complémentaire aux juridictions nationales. Ça, c'est un principe. Mm. Ces Ce principe de complémentarité accorde aux États, c'est-à-dire aux États membres, mm. la responsabilité première et le devoir de traduire en justice les crimes internationaux les plus graves, tout en permettant à la CPI d'intervenir uniquement en dernier recours si les États ne parviennent pas à remplir leurs obligations, c'est-à-dire si les investigations et les poursuites judiciaires ne sont pas conduites en toute bonne foi. Si souvent dans la conscience collective, on pense que les juridictions internationales sont au-dessus des juridictions nationales, ce n'est pas le cas pour la CPI parce que c'est une cour spéciale. La CPI, c'est une cour euh, spéciale. Il y a d'autres euh, tribunaux qui, l'accompagnent, comme euh, le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, mhm. qui a jugé certaines personnalités, ou bien comme le cas des autres dirigeants africains jugés par la CPI. Vous avez vu comment ça s'est passé. Ça a pris beaucoup d'années avant que ces gens-là soient acquittés par la CPI. Je pense qu'il y a d'autres choses encore qu'il faut comprendre et revenir après. Merci, Tarnan Foudé Ahmed. <laughs> on en apprend sur cette émission, ah, Olivier. Bien sûr, j'espère que nos auditrices et auditeurs aussi partagent du bon moment avec nous. Merci on l'espère bien. En ce jour du 24 avril 2023, le Niger célèbre son unité nationale. Et nos choix musicaux proposés par Rabi Soufou Maïkana, qui je dis, Rabi, merci pour ces choix, c'est super. Oh, je t'en prie, ah ouais, les choix sont taillés sur mesure. Nous rendons hommage à tous ces artistes qui ont mis leur talent au service de la paix. Ben oui, Olivier, et l'unité nationale au Niger, c'est aussi plein de symboles. Et un festival international de la mode en Afrique qui, depuis sa création en 1998, symbolise cette concorde, cette paix qui unit le peuple nigérien. Écoutons ensemble le titre FIMA du groupe Soga. down. Ravi, t'as fini de danser <laughs> Olivier, cette chanson, c'est vraiment. C'est chanter la beauté du FIMA, la beauté de notre beau pays, le Niger. Cette musique, elle est juste euh, incroyable. Ah merci quand même d'avoir fait ce soir. Comme d'habitude, l'émission Le Niger sur Kalangou, c'est aussi des rencontres, des découvertes, bref, l'actualité de toutes les régions du Niger. Et aujourd'hui, le reportage, nous, le reportage région nous amène oui, dans la région de Difa, selon les agents de santé, on enregistre de plus en plus de jeunes filles à l'hôpital. Elles seraient admises pour consommation de stupéfiants, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur santé. Plus de détails dans ce reportage de Guidi Abdraman. La prévalence de consommation des stupéfiants par les filles ne cesse d'augmenter dans la ville de Difa, selon Dr Boubé Lawali, psychologue de l'hôpital. Il explique les conséquences que cela pourrait avoir sur leur santé. kamar muna ganin illolin na masu shashaye shine muke gani tunda mu su ne ake kama na wajen likita a neman magani wa suke kawo su saboda wani abu da suke yi wanda bai dace ba shi ne sa ake kawo su a an gaskiya a yanzu eh, kamar yadda na gai wanga abin ga in dade ba su da yawa amma yanzu wanga lokacin an fara samun su sun fara yawa bisa aikin da ake kuma yadda ake samun su da dai maza ne kadai muke gani amma yanzu tun daga dai dubu biyu da takwas sun fara samun hammata masu shashaye a nan da yar difa su ma menene uwansu ya kawo su wajen likita fasa wani al'adu ko su zamantakewa da agani wani abu da ba su yi da sun kuma sun fara yin shi kamar yanzu ko kamar duk sati in yi muna samun su jiya amma muka maka su kamar ga mota kamar suna kai kamar kamar kishi arba'in bisa eh, ɗari ba wanda ake kawowa likita kamar duka kamar a ce in mutum goma ake kawowa likita kenan mutum hudu nan su duka wanda masu shashaye ne a kawa to a gaskiya illolin shi jiyawa ne ta wannan shashaye yana yana taba anta mutum ko ko ka sama rai ko shi kanshi kwakwalwar ta mutum da da da huhu da abin to in mace ce har da ma'aihuwa tana samun matsala in ta samu matsala ga ma'aihuwa da wuya ta samu ta yi aihuwa nous avons pu recueillir les réactions de certaines filles qui se sont trouvées dans cette situation elles racontent ce qui les a poussés dans ce comportement. ya bacin rai ce kawai. Bacin rai da na tsinta rayuwata a cikin nan ba daɗi nake ji ba. Wallahi kawai dole ce kaddara ce kuma ni na ɗauka tun da musulma ce ni. Daren na san yau da gobe sai Allah wata rana bari zan yi insha Allah. Ni ba na shan komai an ban da sigari sigarin mahe na gare na an abace. Ita ma fata nake Allah ya sa an batta. Lallai ni da kaina na san na kai mace iya mace amma a da ne inda a yanzu dai shekaru biyar da suka wuce zuwa yanzu shidda. Ni akalla in kai shekara shekara bakwai haka na ni ba mace bace da nake a da tunda yanzu na zama yar kwaya yan mitece duka dai yanda dai jama'a suka sani haka nan kuma mu shi kwayan ma wanda mutanen ba su so wanda ba a ma so mutane suna shan shi ne Allah ya daura mana in shan shi kuma muna roƙon Allah ya yaye mana shan shi amma dai ko ma menene matsalan daga gida ne take harawa kana so kai hira da uwarka ta zama ta maka hira ba kana so kai da ubanka bai zama ba ya maka hira ni na so in bar shaye-shaye na bi su ta kowane hanya da in kwatanta musu kanto parents eux eh, Ce qui pourrait expliquer le comportement de ces jeunes filles. Cependant, ces mères attirent l'attention des autres parents sur l'éducation des enfants afin de les empêcher de plonger dans la consommation de la drogue. to gaskiya wani rashin kula uwaye ne wani kuma haduwa da abokan banza shi yake kawo wannan abu kuma dukkanin mai shaye shawarar to sata ma ba ketare masa ita kaloli sosai ba zai kawo tunda shi yake kawo kashe kashe da wani yanke yanke duk wannan shaye shaye shi yake kawo musu wanne duk wanda yake da yaro da ya kula da tarbiyyar shi da abokan shi shaye shaye diya mata a yanzu mugan abokai akwai kuma da rashin tarbiyya shirin da zan ma uwaye yan uwana mu kula da tarbiyyar yaran mu na farko tun suna kanana mu kula da tarbiyyar su in suka je suka girma matsayin mu na uwaye mu sa Aujourd'hui, beaucoup se demandent au sein de la communauté quelles mesures les autorités régionales ont prises pour lutter contre la consommation des stupéfiants et contrecarrer cette situation des jeunes. Olivier, on nous signale Guidi au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Ça va, Guidi Abdraman avant de parler santé, là, c'était comment la fête Ça s'est bien passé oh, Oui, hmm, to gidi ji wannan rahoton kai gaskiya abun ba wannan 'yan matan da suke wannan shaye to so mu sani suka hito daga likita akwai wata kula ta musamman da ake musu bayan su comment ça se passe gaskiya babu wani kula da za a tafin da dama kai su ne an kai dan saboda kamar wani dan halin su ne za a gani a cikin gida ya eh. canza da sauransu eh, za a ɗauke su a kai su likita kuma idan aka tafi aka samu abin an ka samu dan eh, kalman dai aka maido su gida shi kenan kuma sai a ci gaba da kula da su a gidan sai dai haka amma babu wani nauyi da ake ɗauka gaskiya to yanzu uwayen ko yaya ne suka rungumi wannan lamarin ya ne uwayen suke ji wannan abu to uwayen su ma da nasu daga ta bangaren su su kuma cewa suke yi ai kamar yaran ne ba su iya jin magana tun da mm. dai kamar sun yi sun yi nasu iya kokari suke hudu ne amma abun in an kalle shi da fuska abun yana nuna cewa kamar rishin hali yake sanya wannan abu mafi yawanci tunda yan mm. mata ne na bukatan gaskiya kulawa da sauransu da kuɗi da yan abubuwa to rishin shi wannan yake sanya su cikin wani hali wanda har su jefa kansu cikin wannan irin halaye to sai mu ce Allah ya kuro mana saukin wannan lamarin <laughs> <laughs> Nous remercions nos différentes radios partenaires et correspondants du studio Kalangu à travers le Niger. Grâce à vous, la population nigérienne est au parfum de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous poursuivons ce rendez-vous du Niger sur Kalangu avec le sport. Oui, pour la rubrique sport de ce jour, nous recevons Soumana Amadou. Soumana, bonjour. Bonjour à tous. Ça va Oui, alhamdulillah. Alors, qu'est-ce que tu nous rapportes ce matin, Soumana Eh bien, nous partons à Maradi pour voir la situation du football dans cette région. Si vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons entendu le président de l'association régionale du football, El Haji Mohamed Rabi Mohamed, évoquer les clubs de la région. Aujourd'hui, il va expliquer l'évolution de la discipline sportive et ses difficultés. On peut dire qu'il y a beaucoup d'évolutions au niveau du football, de la région de Maradi. Dans le temps, on avait juste un club hein, qui joue à Ligue nationale. C'était le Gorzo. Mais maintenant, avec l'évolution du foot, on a pu arriver à faire une Super Ligue composée de 14 clubs au niveau national. Il y a un club de Maradi qui est le Jongorzo. Au niveau de la Ligue nationale, dès le temps, on n'en avait pas donc maintenant, on a jusqu'à trois clubs qui évoluent en Ligue nationale. C'est vraiment un succès d'avoir plusieurs clubs qui compétissent en même temps donc au niveau national. Maintenant, les gens ont tendance à comprendre que le foot là, c'est un métier et on peut arriver, on peut aller plus loin dans le cadre du football. Le problème, c'est le problème des joueurs qui ne comprennent pas euh, qu'il faut une libération la libération là, tu ne peux pas entretenir un joueur et le libérer comme ça. Et aussi, il y a l'incompréhension ou bien la méconnaissance des textes de certains responsables et des supporters aussi. Je crois que par ailleurs, les groupes euh, pour les phases de poule de la prochaine Coupe du Monde de moins de 20 ans, U20, qui se tiendra du 20 mai au 11 juin 2023 en Argentine, ont été tirés au sort ce vendredi. En effet, les 24 équipes participantes à la compétition ont été réparties en six groupes de quatre. Et quatre équipes africaines participent à cette phase finale. Il s'agit du Sénégal, qui est logé dans le groupe C avec euh, le Japon, l'Israël et la Colombie. Le Nigeria en groupe D et avec euh, l'Italie, le Brésil et la République dominicaine. La Tunisie se retrouve euh, avec Uruguay, Irak et Angleterre dans le groupe E. L'autre équipe africaine participante, c'est la Gambie, est logée dans le groupe F avec la France, Corée du Sud et Honduras. A noter que les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour la phase à l'élimination directe. Merci, Soumana. À très bientôt. <laughs> Merci à vous tous et bonne continuité. Merci. Merci. Olivier Basson, à présent à la rubrique Portrait. Et dans cette rubrique d'aujourd'hui, nous faisons la lumière sur les femmes et hommes qui marquent la vie des Nigériens et Nigériennes. Eh bien, on n'a pas besoin d'être star pour passer dans Studio Kalangu. C'est aussi ça notre particularité. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une femme du nom de Fatih Ari Kime. Elle a la quarantaine et c'est un agent de la Nigélec. Depuis quelques années, elle enseigne la matière électricité dans une école professionnelle. un rôle de transmission qu'elle joue pleinement. Son portrait avec Rakia Arimi. Madame Ilyas Fati Arkime a gwanda girwai ki de dandi a wani lakwal kaina da lakwal bere kyauyen woban da ne wonya mai fati arkime inga hinne kati uwe boro windera lantarki da yanwo kala sora nodini ni haro wani lakwalodo giri hinza kyauyen banda a fatan da windera lantarki da yanwo tira kyauyen kan a wani haira su bana se wo kan a wani yayi zikin dai mambara fati arkime anir no famai anya daino ka ba ai sai mace bumbu nga daino su banai se za kan bero wo bumbu da manne kalha'a wai burwo su te wadini amma a ne to ingo kan da inga banka inga izo banka dukai am koi ga te yadini irwo za hano wato zan kai ya isi kendin da haira wani sannu aina bondumu ai koi ga ce kan ai ban aina stajiyante ne nijelek nyamai aina stajiyante nijelek difa aina borbobo noma ma chai ni cabi kan e, wai borgini ka alborgwai ce za kan har kan ni barawo matkul kan no dingate ni dai no dibin fu ni ga borai be aiga ga karu po tay bon ay go go te yadin yadin mono ba nan go kan ay gwar nyama yadin na garga ce. girbo ne ka madam Ilyas Fati Arkime go gazan kai ke wandi hankan gati windera lantarki odan yin wobon dai bangandano wokai don mijeda ko daino ai ba ai mace wakil kwai kwadarai mate kace ai muzan kai don nan da ai go formation professionnel lora san ai sike wanda kalne mai ai gi don nan di matki ga tege dangi dan windi ta gi ki kinira a sai no igne france na ga electricité batima ai gorga a sanye agades no dinga ni zan kai forme masha Allah ibo bago igo ya dimmo no ay gorga berai no no dimmo kwanni so ay fun kwanni ko kanda nya mai so ba kan gwaiwa ne yara sandai bobu gono ya dimmo no borfoyan yan fote ibon a kai ne moktar arkime agoga wani goyo sabu gokan fati arkime gorgate wato din sit nijela goino nijela gobo da wukan monte pote iga kurun dumbu ngana gurgi to watoni ni eh, e wato kana te boda vraiment burei a ingi mama kendi imni wobor ngono ko karu kuron poto bon wato sen amba am dumbum boda ayan bore didia angel lakatunandi wato dingina se ba ku pelek di ma ngina se kupelek kupelek matana ni sambunda vraiment goyoti fata arkimene da alborgoy kulu kan si sihin gate wodinsi halga kason fati me agoga zankai da zankai hairaye Merci à Rakarimi pour ce parcours inspirant. Petit à petit, le train de Niger sur Kalangu arrive presque à sa destination. La rubrique suivante est concoctée par les femmes du studio Kalangu pour nous entretenir sur des sujets du quotidien sur le loti. Dans le loti, nous aborderons la question de l'excision. matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji wannan shine abin da ya kamata ki ma iya ki dan ki kiyaye ta wallahi ki yarda da ni kike faɗa wa kowa maganan nan ki ɗauko ta ki ɗauko mota ki zo ki iske ni nan niya salamu alaikum kokoko rabiya haba rabiya an yi minti talatin da kika bar ni waje kina ta waya to ina da tsammanin ban zo ba da in takura miki fa hmm. ki gawarce ni uwa wallahi tunani ne nake tun ɗazu bayan kira da na samu na wata kakata. Lalle kenan ya kamata a ce cikin murna kike mana tun da kin samu labarinta kuma yadda na gani ga kiran ya daɗe <laughs> na san da dai akwai wasu abubuwa da za a gaya mana. Murna Ami, wai so take in kawo iyata a Nusha ƙauye don saboda a yi mata kaciyar mata. Asha, A cewarta wai abu ne mai mahimmanci da zai kare ta ya kiyaye ta dangane da al'amuran duniya. Ban gane ba, wanga wani irin zancen banza ne, ke da kenan kina mini magana an yi miki shine. Ko kaɗan, a ina, mu a lokacin babanmu bai bar su suka yi mana wannan abun ba. To ke ba a miki ba, amma kina son ki mai iya kaciya. anya kina nan ga la'akari da abun da zai iya biyowa baya? Na ji dai wasu suna cewa wai abu ne wanda bai da kyau, amma ni ina ganin wannan zai sa ‘yata ta zamna kurum. kuma kamar yadda ake cewa za ta zama ya mace mai kyau kuma mijinta zai ji daɗinta sosai a ɓangaren rayuwarta ta aure. Rabia abin da kike gayi baya da ma'ana, amma ina ganin da kamar har yanzu baki gane matsaloli da al'ajabin da wanga kyaciya da ake mata ya kumsa ba. To Hasiya, kakata ta ce wai. Ta ce mi, kakaki ta ce mi, Bude kunnuwanki ki saurare ni uwa. Sanda za a yi mata wannan kaciya, jini zai iya bulle mata. Kin ga in jini bulle mata hakan gafa, mutuwa za ta iya yi. Kuma tana iya yiwuwa ciwon ya sa ta rasa rayuwarta kuma kake manta da cewa tana iya ɗauka wannan ta sacin kanta ya zama abun da zai sa sai ta mutu ba za ta ji daɗin rayuwarta ba kuma ga cututtuka da za ta yi ɗauka saboda an cire wani abu daga jikinta da ke kare ta kuma in ta yi aure duk lokacin da mijinta zai kusance ta za ta ji ciwo kuma har abada ba za ta ji menene daɗin kusantar mijinta ba haka kin ga yayi kin mata adalci Hasiya. Gaskiya ni hukin hara ba ni tsoro. Duka wannan abun zai samu iyata? Ai ban kare ba, kuma abun da ya fi tsananin ma shine duk lokacin da ta ɗauki ciki ba za ta iya aihuwa da kanta ba. Kuma inda likitan da ke kula da ita ba bai kware ba, wannan yana iya zama sanadiyar da za ta zama mace mai yoyon hitsari. Kuma za ta yi ɗauka wasu cututtukan ma'aifa, ta rasa jini, a ƙarshe ma ke sai ta rasa rayuwarta ko ta jaririnta. Ko ɗayan biyun nan dai, duk wanda an kai dai ya kamata ki gane da waga kaciya da ake ma mata ba abu ne mai alheri ba kenan ya kamata a daina ta subhanallahi ya salam kisan da ban san ba abun ga yana da hatsari sosai kamar haka ba wajen kiyaye iyata a shirye zan jewa ta cikin kabari iyata dai ba a mata kaciyar mata ba in Allah ya yarda in dai son samu ne ko ko wata iyar ma bai kamata ba a yi mata wannan aikin hasiya na gode sosai da kika waye mini na game da wannan al'amarin ba komai rabi ayan ana tare ya kamata a taimaka ma juna amma ke ma ya kamata a ce ki kawo ki ya kamata ki kira kakaki ki kwatanta mata ita ma daga nata bangaren sai ta wayar da kan dukkan garin su gaba ɗaya abu ne da ya kamata ki kokari a kansa hmm, wacce kakar tawa wannan jarababbar hmm. <laughs> yaya zan yi in ka mata mazancan to kakar ki jefa ai ya kamata a ce ki wasa da ita tsaka ba safar shika da kaka aka ce a'a ya kamata ki daure ki mata magana ke dai barni nan inda kika gani <laughs> Merci aux femmes du studio Kalangu. À présent, c'est la culture linguistique. Chers amis auditrices et auditeurs, il est l'heure d'apprendre un nouveau mot et c'est Jackie Dalton qui nous propose le mot like. Hello, bonjour. It's a pleasure to be with you. C'est un plaisir d'être avec vous. I like being with you. Like. Ça, c'est le mot anglais d'aujourd'hui. Que veut dire like Aimer j'aime, c'est I like. I like reading. J'aime lire. I like eating. J'aime manger. I like sleeping. J'aime dormir. I like. Et pour dire tu aimes ou vous aimez, c'est simplement you like. You like. N'oublions pas que you, c'est la même chose que ce soit tu ou vous, il n'y a pas de différence en anglais. You like sleeping. Vous aimez ou tu aimes dormir. Et maintenant, si vraiment on aime beaucoup quelque chose, on peut dire plutôt I love. I love eating. Moi, j'adore manger. I love sleeping. Moi, j'adore dormir. Et bien sûr, peut-être vous le savez déjà, I love, c'est aussi pour exprimer de l'amour. I love you. Je vous aime. He loves me. Il m'aime. Donc like pour les choses que vous aimez pas mal et love pour les choses que vous aimez vraiment et vous pouvez même aussi utiliser le mot adore. C'est comme adorer. Adore. I adore you. Je t'adore. Et si au contraire il y a quelque chose que vous n'aimez pas, c'est simplement I don't like. I don't like. I don't like the heat je n'aime pas la chaleur. Or, you don't like the heat. Tu n'aimes pas la chaleur. Et si vous détestez quelque chose, vous pouvez dire I hate. I hate. I like. That was today's English word. What do you like? Amis auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de l'aventure radiophonique de ce 24 avril 2023. Nous sommes très heureux d'avoir partagé. C'est un plaisir de partager ces ah, instants avec vous, chers amis auditeurs. On se dit à demain avec un autre duo pour encore plus de fun. Travaillons pour l'unité et pour la paix. C'est notre message pour vous pour cette journée de la Concorde. Ciao, ciao.